Quand on vous dit que Sadio Mané a un grand cœur, beaucoup peuvent s'imaginer la grandeur de l'homme. Ouais, di Sadio Mané def jéggi également ça inspire le respect Notre il y a juste quelques semaines Sadio Mané a def ben appel vidéo appel surprise ben fan Liverpool boo xam ne dafa am trisomie 21 Diego ci wax ci ñenn ñi di ko mongol mu woo ndaw so xale boobu mu waxtaan ak moom dalal xelam ci loolu tamit mu laaj xale bi ne ko na wax ban geste la bëgg mu def ko bu dugalee bi ngir mën ko rendre hommage euh, xale boobu nag ne ko moom li mu bëgg mooy bu dugalee bi na jël loxo bi joxoñ ko ci kaw rendre hommage maman bi nga xam ne dafa décédé donc Sadio Mané pour rendre hommage à ce jeune atteint de trisomie 21 lui a demandé donc de dire quelle célébration il aurait aimé que Sadio Mané fasse lors de son prochain but. Ce jeune homme donc lui a demandé de lever la main vers le ciel pour rendre hommage à son grand-père qui est décédé. Des monarques Sadio Mané contre Crystal Palace, il a tenu cette promesse parce que image pour montrer que c'est un grand homme, c'est un grand monsieur Sadio Mané a tenu sa promesse en marquant hier contre Crystal Palace, il a mm, donc pointé du doigt vers le ciel pour rendre hommage à ce jeune supporter atteint de trisomie 21 euh, dont donc le grand-père est décédé, il avait demandé ce geste à Sadio Mané. Sadio Mané, c'est la fierté du Sénégal, c'est la fierté de l'Afrique, mais également c'est la fierté du monde, et notamment des supporters de Liverpool. Sadio Mané, encore une fois, que c'est un grand monsieur, un monsieur qu'il faut respecter, un monsieur de, au grand cœur, que il est parti de zéro pour arriver à ce stade. on Wanrekne, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre race, quelle que soit notre ethnie, quelles que soient nos origines, on peut être toujours unis dans les moments les plus difficiles, quand dans les meilleurs moments, et il n'y a pas de différence entre nous. Sadio Mané moko def hommage à bi nga ne dafa am Sadio Mané c'est un grand monsieur encore une fois maximum de likes partagez mais également n'oubliez pas de vous abonner pour rendre hommage à ce grand monsieur du football à ce fils du Sénégal à ce fils du football africain Sadio Mané respect encore à toi Gaïné respect au Lion des Reds de Liverpool et également respect pour tout ce que tu fais Sadio Mané mention spéciale